Chers auditeurs, bonjour à tous. Nous sommes jeudi 26 octobre 2023. Il vient de sonner 11h à Niamey et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. C'est un rendez-vous quotidien qui vous tient informé, diverti et connecté au monde. Du lundi au vendredi, vous nous recevez grâce à nos réseaux de radio partenaires. Pour vous servir, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Rukayatou Abdraman. À la technique, nous avons Seini Isaka et à l'édition, nous avons les deux grandes dames, Rahila Toussoumana et Adama Dawaki. Bonjour Rukaya, comment ça va Bonjour Seno, je vais très bien. Super, alors euh, qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs Tout d'abord euh, le flash d'informations, puis notre sélection musicale variée 100% nigérienne. Vous aurez également la rubrique écho des régions, le sport, la culture linguistique, sans oublier la chronique Loti. Et oui, pour notre entretien du jour, nous recevons aujourd'hui un jeune artiste du nom de Hamed Tambari, alias Medzi. Avec lui, nous parlerons carrière musicale. Nous terminerons cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Préparez-vous à vivre une heure rythmée, riche en émotions et en partage. Restez à l'écoute, c'est parti. Fidèles auditeurs, sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash avec Nafisa Moussirfou. Bonjour à vous et bonjour à tous. Bienvenue dans ce flash d'information. Le Niger est classé 109e sur 142 pays dans le monde en matière de l'état de droit selon le World Justice Project Rule of Law Index 2023 publié ce 25 octobre 2023 à Washington. Sur le plan régional, le Niger se classe 17e sur, sur 34 pays d'Afrique subsaharienne. Le pays le plus performant de la région est le Rwanda, 41e sur 142 au niveau mondial, suivi de la la Namibie et de l'île Maurice. Les trois pays les moins performants de la région sont la Mauritanie, le Niger et la République démocratique du Congo. Le World Justice Project est une organisation indépendante, non partisane et pluridisciplinaire qui vise à créer des connaissances, à sensibiliser et à stimuler l'action pour faire progresser l'état de droit dans le monde entier. L'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique, euh, dans une note en date du 24 octobre 2023, appelle à la population à prendre des, des précautions concernant l'utilisation des médicaments contenant des vasoconstricteurs. Un vasoconstricteur est un médicament dont l'action vise à désencombrer le nez. Selon l'ANRP, ces médicaments exposent à des effets indésirables comme euh, graves tels que les accidents vasculaires cérébraux. De ce fait, l'agence demande à la population de ne pas utiliser les formes orales de ces médicaments pour soulager les symptômes du rhume. Parmi ces médicaments, on peut citer entre autres le litacol sirop et comprimé, le rhinomycine ou encore Umexa pour ne citer que cela. Enfin, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Salou Suleiman, est libre depuis le mardi 24 octobre selon une décision de la justice. Il a été arrêté en 2015 pour soupçon de coup d'État et condamné en 2018 à 15 ans de prison pour complot contre l'État irradié de l'armée. Pour rappel, son fils et plusieurs autres officiers ont été arrêtés, jugés et condamnés malgré les nombreuses zones d'ombre que le procès n'a pas permis d'éclaircir. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa et très bonne journée à toi. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous sommes avec Ahmed Tambari, alias Medzi. Je rappelle qu'il est rappeur Medzi. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. merci. Alors, euh, Medzi, avant de vous donner la parole, savourons d'abord ensemble l'un de vos titres. Il s'agit du titre Nagode. On écoute. 1, 7. You. Tout ce qui est est bon, moi je dirais Nagoli. T'as écouté, t'as moi je dirais Nagoli. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagoli. T'as mon je le dirais. la musique a toujours été mon kiff. Maman m'a toujours empêché, mais j'ai fini par la convaincre. J'ai dit simplement à mais mes que sont forts à la bilaye. Moi et Hakim, c'est la dîme, tu j'étais du bientôt, on va t'attendre le corps Le gota là moi alors que moi je t'ai cadu, même pas. Rendu que le temps c'est de l'argent, je je fais le même pour toi. Si tu te puissant que je ferai des victimes quand tu vas pour toi. Ils ont pu ces gars et des loups, ils sont le flot, très noir. Tout ce que Dieu fait est bon, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagori. Mhm. T'as moi qui fait, elle m'a fait je le dirais Nagori. Tout ce que Dieu fait est bon, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagori, Nagori, Nagori, Nagori. Tu t'as aussi t'as été une fois récompensé. Vas-y, danse avec moi et puis Nagore J'ai remercié tous mes ennemis, grâce à vous je n'ai fait tromper. Ma musique a plus du poids, je dis simplement Nagore Les polémiques ça fait pas, go arrête tes conneries. C'est Dieu tu donnes, c'est Dieu tu forts, pas besoin d'économie. Tu veux percer dans le game, mon gars évite le tiercé. La musique c'est pas la tambour, la jama waka tisser tu sais que est est bon. Moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagori. T'as goma qui fait ma je le dirai Nagori. Tout ce que est est bon, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagori. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagori, Nagori, Nagori. mejiyace alhamdulillah na gode mejiyace alhamdulillah na gode mejiyace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah C'était là le titre Nagode de l'artiste Medzi qui est avec nous dans cette émission. Alors Medzi, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous d'abord de ce titre Nagode. Euh, Nagode, c'est mon tout premier titre pour lancer ma carrière solo. D'accord. Et je me dis que pour quand on dit Nagode, tout le monde sait, c'est un remerciement quoi. Exact. C'est tout d'abord remercier Dieu et après remercier tous ceux-là qui nous accompagnent. Super. Alors, euh, Medzi, dites-nous comment avez-vous découvert votre passion euh, pour le rap et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir rappeur Avez-vous euh, d'autres activités à part le rap Ouais, mais moi, je suis, je suis un businessman. Ok. J'entreprends dans beaucoup de choses Ok. par la musique, même si je, je veux que ça reste <laughs> <laughs> c'est un côté où j'en parle peu. Quoi. Ok, alors euh, comment avez-vous euh, découvert votre passion pour le rap et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir rappeur Je dirais que moi, j'ai commencé après avoir suivi le concert de DLM Aulo Je ne hmm. sais pas si tu connais DLM Oui, bien sûr, C'est un groupe qui n'existe plus. Oui, c'est un groupe qui n'est plus d'actualité. C'est un groupe que j'ai <laughs> beaucoup kiffé. Quoi. Donc je me rappelle en 2003, mhm. ils étaient à Zender pour un concert. Donc j'ai assisté au concert. Ça m'a tellement plu, je suis rentré à la maison en même temps, j'ai dit je veux me lancer. <laughs> Il n'y a personne qui m'a appris, j'ai pris un bic, j'ai commencé et c'est comme ça. Ah, là, Donc vous avez d'autres sources d'inspiration à part euh, votre groupe préféré Ouais, moi c'est, par exemple, c'est toujours quand il y a un thème, quand il y a une actualité. Et après c'est l'instru qui m'inspire à chaque fois. Quand j'écoute un instru, ça, ça me donne un titre directement. Ok, alors en tant qu'artiste, comment abordez-vous les, problèmes sociaux C'est toujours à travers la musique. Ok. <laughs> C'est toujours quand il y a un truc, on essaie d'écrire. En même temps En même temps. Ok. Donc, euh, avant de poursuivre nos échanges, euh, nous allons marquer une petite pause musicale avec le titre. Quel est le titre d'ailleurs <laughs> Il s'agit cette fois-ci de votre titre qui fait en tout cas un carton actuellement euh, dans la capitale parce que beaucoup de jeunes kiffent ce titre. Il s'agit de L'amour chez Guéné. <laughs> face son numéro Appeler se pousser, cacher et pleurer Aïti banza Aïti wala l'amour na ce shi ya wuce wasa kimbiya zaruma ciwon so ai be san Eh, hey na ce kimbiya zaruma ai shi ciwon so bai san ba Baba Bazoum, ya kasa kwana lamu cege ne, ancien chercheur sun kasa kwana lamu cege ne, étudiant qui ma kasa kwana lamu cege ne, commerçant qui ma sun kasa kwana lamu shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, l'amour, shake it, hey l'amour, shake it. Kato karfi huku na dare ya kasa kwana. Kato karfi huku na dare ya kasa kwana. Cikin dara yana kuka, na cikin dara yana kuka. Safi ya iya fito na ce sai ya gwada mana don sai hai lamu na ce shege ne don nima ai ya bani wuya lamu na ce shege ne ai nima they ya bani wuya cikin dare bani rumtsawa zancen gaskiya na sha oh, ya. Chicken oh, dare sha wuya baba bazum ya kasa kwana lamu shege ne an san sharshar sun kasa kwana lamu shege ne ecidiyan kima sun kasa kwana lamu shege ne commerçant kima sun kasa kwana la mu ne lamu shege lamu shege L'amour, shege lamu Voilà, l'amour chez Guéné. Traduit littéralement, ce titre signifie L'amour est bizarre. Alors, Medzi, quelle est la petite histoire liée à cette chanson Une déception amoureuse peut-être <laughs> C'est pas, moi. <laughs> ok. <laughs> c'est pas moi. Alors c'est quoi l'histoire il y, a un ami. Ok. Ils ont fait trois ans de relation avec sa go, Après, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, Donc à chaque fois, quand je viens à la fada, il me dit non, toi tu vaux rien même. Voilà, je suis d'un mais tu ne peux même pas chanter pour dire l'amour, c'est <laughs> Donc, il me répété ça à chaque fois. Un jour, je suis venu au studio, on m'a fait kiffer l'instru là. Hmm. Et en même temps, l'idée, moi, je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça là. c'est venu comme ça, quoi. <laughs> Peut-être j'ai appelé le nom pour attirer plus l'attention des gens, Je sais que dès qu'on entend, les hein. gens vont essayer de connaître la suite. Exactement. Donc, c'était ça, quoi. Sinon, c'est pas moi. Voilà. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un businessman. Ouais. Alors, comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie personnelle, le business et votre carrière musicale C'est pour ça que j'en parle peu du <laughs> côté business. ok. Parce que mm. c'est un truc où je suis caché derrière. Mm. Par exemple, j'ai un truc, il y a le nom, mais les gens ne savent même pas que c'est moi qui est derrière. Quoi. Tu ne peux pas dévoiler ça. Ouais, donc c'est ça le <laughs> truc. Mais ça se passe comment la gestion, je vais dire l'équilibre entre cette vie euh, professionnelle et aussi la euh, ta carrière musicale. parce euh, que après, quand tu es artiste, il y a hmm. certaines choses que tu as envie de faire, mais pour toi, c'est pas gênant, quoi. Hmm. Pour toi, c'est pas un problème, mais c'est toujours les gens et ils peuvent pas comprendre, quoi. Ok. Alors, alors, Medzi, des projets à long terme et à court terme pour euh, ceux qui nous écoutent actuellement Est-ce que euh, y a-t-il des projets qui sont en train d'être cuisinés actuellement Il y a un album de 15 titres. Que je vais sortir euh, au max février, Inch'Allah. 15 hmm, titres. C'est le premier album ou bien tu as déjà un album qui est. Parce que moi, ma politique, c'était même pas. Moi, c'est d'envoyer que des hits, que des hits, c'est de ne même pas sortir. Que des hits. Et vous avez combien de hits actuellement 8, 9, je crois, que j'ai que j'ai déjà sorti. Alors, Melzi, un mot pour tous ceux qui aspirent à être rappeurs. Quels sont euh, les pièges à éviter Quelles ah, sont les opportunités à saisir Moi, je dirais que n'est pas facile. Hein. ça... Mais quand tu aimes quelque chose, mm. tu dois foncer. quoi. C'est le courage, c'est la détermination. Mm. Sinon, tout le monde sait comment ça marche ici. Mais après, quand tu es déterminé, quand tu as des objectifs à atteindre, c'est au plaisir. quoi. Exact avec plaisir. Merci infiniment, Medzi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Restez avec nous pour suivre la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, nous sommes jeudi, nous allons parler éducation numérique avec Ousmane Mamoudou. Il est le chef du département numérique du studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Bonjour Seno. Bonjour Ousmane. Salut Ruki. Aujourd'hui Ousmane nous tient informés de l'actualité numérique. Aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet inhabituel qui mêle méga, réseaux, manga, réseaux sociaux et malheureusement de l'antiséminisme. Eh anti Antisémitisme. <laughs> Alors avant de, hein, avant de nous rentrer dans les détails, Ousmane, euh, peux-tu nous donner, euh, peux donner à nos auditeurs une brève présentation du manga One Piece ah bien sûr, c'est nous. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Donc, One Piece, en fait, c'est un manga japonais créé par Eshiro Oda en 97. Mhm. Donc, il est largement considéré aujourd'hui comme euh, un des mangas les plus populaires et les plus vendus au monde, avec plus de 500 millions d'exemplaires quand même vendus dans le monde, plus de 1000 épisodes. Donc, l'histoire se déroule dans un monde fictif dominé par les pirates, évidemment. Et l'on suit les aventures euh, d'un héros qui s'appelle Monkey D. Luffy et son équipage qu'on appelle l'équipage du chapeau de paille à la mhm. recherche du trésor. Donc c'est le trésor qui s'appelle le One Piece. Donc le manga est connu pour son intrigue qui est assez complexe, ses personnages qui sont euh, mémorables et son exploration de thèmes comme la liberté et l'amitié. Merci Ousmane. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Récemment, il y a eu des cas d'antisémitisme sur les réseaux sociaux impliquant des références à One Piece. On veut savoir plus. Alors oui, ces derniers mois, effectivement, l'antisémitisme, ce n'est pas euh, une thématique nouvelle, c'est quelque chose qui a duré. Donc l'antisémitisme, pour faire court, c'est la haine contre les juifs. Ah, ok. Donc, on a observé euh, ces derniers jours-là, ces dernières semaines, une montée de mhm. l'antisémitisme. Cela s'est intensifié en particulier avec la reprise récente du conflit israélo-palestinien que au lendemain des attaques euh, du Hamas sur le territoire israélien, justement. Donc, des internautes ont utilisé l'expression dragon céleste pour faire référence aux juifs. Euh, et donc ce terme a été utilisé sur les réseaux sociaux pour éviter la détection par les outils de modération mhm. euh, et de dénonciation euh, des réseaux sociaux, des plateformes de réseautage social. D'accord. Alors, dragon céleste, c'est un terme intrigant, Ousmane. Pourquoi est-il utilisé pour désigner la communauté juive alors, euh, cette expression, en fait, elle trouve son origine dans le monde de One Piece, hmm. le manga qu'on a vu. Donc, dans le manga, les dragons célestes, hmm. euh, ou on les appelle dans les mangas les nobles mondiaux, hmm. sont des antagonistes, c'est-à-dire des grands méchants, euh, les plus puissants au sein de la hiérarchie du monde fictif. Donc, ils descendent des fondateurs de ce qu'on appelle dans le manga encore le gouvernement mondial, dans le, et se sont présentés comme des élites bourgeoises intouchables que, qui peuvent échapper à toutes les règles. Donc ce parallèle avec les stéréotypes antisémites euh, a été établi euh, par certaines personnes euh, sur les réseaux sociaux. Et il suffit aujourd'hui de faire une simple recherche mhm. de ces termes-là sur Twitter ou sur Facebook. Vous allez tomber probablement sur des publications qui disent, par exemple, un dragon céleste. Dès que vous voyez dragon céleste, ça veut dire que Très souvent, la publication, elle fait référence au peuple juif, donc pour éviter, les, internautes le font pour éviter d'être modérés par mhm. euh, les plateformes. il faut aussi souligner que l'œuvre d'Oda ne promet pas l'antisémitisme. Cependant, les caractéristiques des dragons célestes, des, dragons célestes ont été associées à ces clichés c'est bien cela, Ousmane Oui, exactement. Alors, l'œuvre de d'Oda, il y a un moment, il a été aussi, ils ont été accusés, de, par exemple, de racisme. Mais One Piece n'est pas du tout une œuvre antisémite. Mais évidemment, certaines de ses caractéristiques ont été utilisées à des fins malveillantes. Mhm. Donc les dragons célestes ont été associés à des clichés antisémites et ont été utilisés pour faire passer des messages souvent malveillants contre d'autres communautés ou personnalités mhm. dans le monde, souvent qui ne sont même pas juifs. Ah, ok. Il semble que euh, cette expression ait trouvé un terrain infertile sur les forums de jeux vidéo. Euh, peux-tu nous en dire plus alors, oui, donc euh, c'est justement sur les forums de jeux vidéo qui sont tristement célèbres pour ça. Donc, la première occurrence de ce terme a été trouvée sur un site qu'on appelle jeuxvideo.com. Donc, et donc, on peut retrouver une archive sur JVC Archive, mhm. un site qui archive les publications de ce forum. Mhm. On peut trouver des occurrences de l'expression dès 2020. Bien qu'on ne puisse pas aujourd'hui euh, attribuer son origine à un, individu. Euh, donc apparemment, c'est là, au niveau de ce forum-là, que l'expression a été détournée pour la première fois. Et cela ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas, Ousmane oui, en effet, Rookie. Donc, euh, les discussions ont évolué au-delà de l'antisémitisme. Les internautes ont établi des analogies entre les puissants euh, antagonistes de One Piece et d'autres personnalités du monde réel. Et quelles personnalités du monde réel ont été mentionnées dans ce contexte Alors, parmi les noms les plus fréquemment associés à cette expression, on retrouve par exemple des personnalités comme euh, Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, mhm. ou bien la famille Rothschild, qui est l'une des familles qui est considérée comme la plus puissante aujourd'hui dans le monde et évidemment le président Emmanuel Macron, de la France. En gros, nous pouvons voir euh, donc comment les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour détourner la modération et promouvoir certains types de discours. À la prochaine. Bye bye à la semaine prochaine pour une autre chronique. Inch'Allah. Chers auditeurs, euh, retrouvons à présent ce grand baobab, euh, grand baobab de la musique moderne nigérienne. Il s'agit de Mali Yaro euh, de Gumbestar qui nous chante Dabye, une interprétation du regretté Hama Dabye. On écoute. plus connu sous le nom de Maliaro. Il a commencé sa carrière en tant que jeune joueur de Goumbé, puis avec ses amis, il forme le Goumbé Star, un groupe qui actuellement est l'un des meilleurs qui font la fierté de la musique moderne nigérienne sur le plan national et international. Exactement, Ruki. À présent, il est temps de passer à notre rubrique Écho des régions. Oui, c'est nous dans l'écho des régions d'aujourd'hui, nous irons à Agadez pour parler économie. À Agadez, l'économie commerçants se tournent vers les marchandises provenant des pays du Maghreb, notamment euh, ceux qu'ils jugent moins chers sur les marchés. Et cela depuis euh, les sanctions imposées au Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, suite au coup d'État militaire survenu le 26 juillet 2023. Constant dans ce reportage de Moussa Maman. Les marchés d'Agadez sont inondés par des produits algériens et à des prix nettement abordables par rapport à ceux qui transitent du Bénin et du Nigeria, explique Amin président du syndicat des commerçants de la région d'Agadez. Halin da ake ciki basu ga kwanakin baya kaya yanzu gaskiya tabarkalla sun safka. Bangaren abin da shahi fata alimentar maka kuskus ta spaghetti wannan su wannan suna kasa da abin da shahi kamar su sabuni kamar su sukari duka suna tun da da sukari kaga kwanakin baya ya kai jikka 17 yanzu sukari sai da shi jikka 15 ba da 50 tun da ya kai kilo 150 yanzu kilo 130. Da wadan kwanakin baya makaroni ta kai jikka 6 da rabi jikka 7 spaghetti ita ma ta kai jikka 6 da rabi to yanzu yanzu ta koma jaka biyar da rabi biyar da rabi da hamsin bakin tsadarta to kenan ku kaga sai a ci ga kwanakin ba yanzu ta sauki kenan shi kuma sama kwanakin baya ana sa shi jaka goma sha uku har goma sha hudu ya kai har jaka sha biyar yanzu muna sa shi jaka goma sha biyu da rabi jaka goma sha biyu. La population se réjouit de la disponibilité de ces marchandises et qu'elle trouve moins cher. Ah, muna samun makaroni, sukari. Nan da garin agaras alhamdulillah dan rayuwa muna iya marayu fi sibilillah ma kan mu ma da tasu ba ɗaya bace. Karto ya yi tsada jika biyar da hamsin l'association des défenseurs des droits des consommateurs par la voix de son président régional Mohamed Ama interpelle les nouvelles autorités pour le suivi des respect des prix des marchandises sur les marchés il n'est pas arrêté que ce gouvernement puisse agir sur le terrain et pratiquement pour que la population puisse se voir, voir dans les mesures accompagner pour la consommation de produits de première nécessité. Donc nous interpellons ce gouvernement pour vraiment faire en sorte pour que la vie ne soit pas chère à la communauté. Les autorités de la transition, des concert avec les opérateurs économiques, ont pris des dispositions pour accompagner la population en vue de leur garantir une disponibilité des produits de première nécessité ou aussi lui assurer des prix accessibles à toutes les bourses. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, fidèles auditeurs, accueillant Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Ruki. Bonjour nous. Bonjour Adam. Alors, euh, débutons cette page sport avec euh, un communiqué du secrétaire général de la Fédération nigérienne de football au président euh, des clubs de la Super League et des associations régionales de football, n'est-ce pas Eh bien oui, c'est nous, le championnat national de la Super League saison 2023-2024, initialement prévu demain 27 octobre 2023 est reporté jusqu'au 18 novembre 2023 selon le communiqué du comité exécutif de la FENIFOOT. Toujours en football de la région de l'Ader, un match amical s'est disputé hier soir entre les deux, clubs phares de la région de Tawa. Il s'agit de la GST et de l'Ader FC. Eh bien oui, Ruki, ce match amical qui a opposé la jeunesse sportive d'Ottawa contre l'ADER FC rentre dans le cadre des préparatifs de la saison à venir. La jeunesse sportive d'Ottawa s'est imposé sur le score de 3 buts à 0. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction des deux entraîneurs au micro de notre correspondant Yaole Abdelmoumouni. Concernant les lacunes, vraiment, nana, hein, parce que jusqu'à preuve de contraire, euh, on a travaillé excellemment le physique et puis un peu le bloc. Donc aujourd'hui, ce match-là nous a permis de voir est-ce que c'est bien respecté. Franchement, les poulains étaient présents dans les 45 premières minutes. Ils ont eu même deux bonnes occasions qu'ils ont déjà concrétisées. Là, au moins c'est positif. Avec les multiples changements, il y a des absents qui étaient là, qui ne connaissaient pas ce système-là, ont un peu péché. Voilà pourquoi on a été même effrayé par l'adversaire jusqu'à deux ou trois fois. Néanmoins, on a eu un but euh, de plus. Mais cela quand même ne m'enchante pas tellement, surtout la deuxième mi-temps. Nous, on a des enfants qui sont inexpérimentés, il y a d'autres qui viennent même des TGV. Vous voyez, ça veut dire que même pour les aider encore mieux à savoir comment rester dans un groupe, c'est un problème. Ce qui m'a motivé à faire ce match amical contre la GST, vous savez, le club GST a un championnat à faire. Donc, euh, nous avons jugé vraiment utile de les accompagner dans ce cadre en les organisant des matchs de mise en jambe. C'est ma contribution vraiment. C'était au dernier moment qu'ils m'ont demandé de les accompagner dans ce sens. Ça fait déjà trois jours de cela et le club Ader n'a pas pu se réunir pour commencer les entraînements. c'est grâce aux entraînements qu'ils font dans des quartiers et dans des écoles, etc., les joueurs, j'ai pu les mobiliser pour les amener à jouer ces matchs. Mais j'espère rejouer encore le deuxième match amical. Alors, le match amical dont, le match amical dont il parle est prévu pour le vendredi à 16h30 au stade municipal d'Ottawa. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations sportives. Merci Adam, merci beaucoup et très bonne journée à toi. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour et aujourd'hui, nous vous présentons Michael Suleiman. Et oui, Michael Suleiman est un libraire. Il exerce cette activité au marché de Boncané de Niamey depuis plusieurs années. Oumu Oumarou est allé à sa rencontre. ay gi aigi hekta danga jiron cin gunya mera kolji den de ner livreri ya cine amma ai gorko goy fon te kamman to din me songo livreri on ego ner songo da ifon sintinda sintina kan ai sintin zare ne ner to ai go zare ner di kan asig te fattengo mo ai bamme fo livre har kara ngande e kolji re ni masha Allah agonda agonda yam do daga zare kan fu livreri ner ifon ni beje de kan fu ra to lay di de goy no kan ne beje ha kan na beje ne di kan labo boy e ba cewo gumo kan labo labize ba cewo gumo adiga na kulkan cewo yango to ekul jina de modo liga ceki wodi e non e beje non e furgo non tiga wan ekul jina ne ren ton bay ku zabo non bonda ga kun go wana no hay wodi ndi bonden so wana kun man fura no zanu fura kun go wana bonda ga sere ne wana to ay dide i boy ga tene di kan goino kan gonda na fay mo fura ay wana mo to ay wo man gorbe kul ban ko kalle kan ay go ay dide go ga teno ay mo fura ay ko de ka hmm, amma man be gorbe fo ban kan ra kine livre wode man na ga duwe abende ni ko kisambo ni chow ekol wani man chow e kol ay mo te kol ay wo arab chow ndet to matno de borakan de Hmm. nga liste de fourniture aran ga hinga bai hankan da kan bora gaba hoto wajin wani na cewa ta kai kai gwani kai kai cewa kai kai a cene dan galbe ga cewa ta kin cewa ai ko ta ekol jori ai cewa kai na idu kai na ido hina wane uno nan ai goga ai goga du gabe ka ai wani go cin cewa kan ai tanga da nan ai ga sene ganda ai su bai kai la fayi boda ai cewa da e, hawo libu ban ban de su bai kai cewa uno nan ai ga sene ai du ko wani kai kai na kan ai hin kai bonda fandar da ya to soni wondi yemo bor kaman école e coyon taga hinga livrer di goyte wallahi aga tabandi aga tabandi be kul kaman école e coyon taga tabandi zama di ka kan han subai hay kano ihan tum kande ni di kadan ba foceci kada won ba foceci am coyon se wadi mon di kan abor ga kenan to son ai kasban se zanka bugo masha Allah kware zai wani zan kai di kula izendo inda ne go got hay kan mon ga sen ga as mon ga se zama ga ay te it cow o ay way man te école e amai ni da école zanka di kul kan di kul go école kula izendo ne ni da école da école shini ka ba kan sin di ikka kul école zum pulika i go ne reset do ne de no ngai mo gono ka checi eh, pol ka to so jirma gine kan so a to jirwo cindi gu kan go ne wala kai go livre yo la a to wallahi go ne ba gu kan do i ba gu mo za kan ngai kinara ainu wa de kutara ya daga alhamdulillah kan sintin ifo sande yan kan di bara kan nga list de i fot sende kan diara to le sanda wo sene go gal mandu sande amma no da ay mun do sande ya kin kan ay kan mun se kulu ai gon baka gen kati wodi sene mun do sande gumo kan dai kan goyo su jan sande kai kai kaire wadi ya matuka ta go kuka ba go wadi ya fota kiyan kan digite futta se da ni kel commerce ngai se librairie koy to wallahi chaw ke ta futte jai se da ci imtun ke goy imtun ke goy ay kul kan di bo adu wallahi kadde goy bandano bo do ngam so do haya fal fal rafa kadai to kadu botun kay Voilà, chers auditeurs, c'était là le portrait de Michael Suleiman, libraire. Alors, Rookie, poursuivons euh, avec euh, une petite balade musicale, n'est-ce pas ah Et cette fois-ci, on va kiffer le morceau Kutubo du groupe Soga. C'est mhm. parti. auditeurs, vous venez écoutez la Kutubo du groupe Soga. Kutubo est une tradition qui se fait après le dixième jour de la fête de Tabaski. C'est en ce moment que les gens préparent le bouillon de tête et de pâte de mouton qu'ils ont conservé depuis la fête. Exactement. Alors, on poursuit avec la chronique Lotti du jour. Oui, c'est nous. Dans ce numéro, on touche du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. Et oui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur C'est derniers temps, ces derniers temps euh, le vol à l'arraché, le braquage en plein jour sont autant euh, de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons Salamatu Kadri et Talata Abdou. 5 000, 10 000, il me dit 50 000. c'est bon, ah, ah hum, c'est bon. Viva Viva bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi Hmm. J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves que dehors, et plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sortit cette idée tordue Hé ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes Bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais y est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux. Analyse bien l'endroit s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps. Ils ont d'autres choses à faire. Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse euh, attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie. Tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer euh, un système de vidéosurveillance. Eh, hum. ne ris pas de moi hein. et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres. Ah, qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> Fidèles auditeurs, passons à présent à la rubrique culture linguistique et nous sommes en compagnie de Soumana Amadou. Il est journaliste traducteur en langue fulfulde et aujourd'hui avec lui, on va découvrir en français et en fulfulde le titre foncier. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Dans le langage de la promotion immobilière, le foncier désigne généralement le terrain qui sert de support à une construction immobilière. Il désigne un bien relatif à la propriété non bâtie, mais aussi à la propriété bâtie. Le titre foncier, lui, est l'acte de propriété définitif et inattaquable qui garantit au propriétaire une occupation permanente et durable non limitée dans le temps. Pour l'obtenir, il faut constituer un dossier qui regroupe un certain nombre de pièces, ensuite les déposer auprès de l'institution compétente qui se chargera de traiter ces derniers en vue d'établir le titre foncier. Il est délivré à la suite d'un long processus qui consiste d'abord à s'assurer de l'identité du requérant, de la réalité du terrain ou

sabu tawi nokku o no ñiɓana ñiɓaka fuu no wajibi tawi no woni ɗum ɗon talkuru talkuru ndu enna ndu kan hokkata sembe neɗɗo jeyɗi nokku o tabintina kan jeyi talkuru ndu no hokka jomum jogo nokku on enɗan fa abada non noon fa waɗa joni ndu konno keɓol talkuru ndu enɗa sey neɗɗo hawra talki talki goɗɗi kewɗi yaara joƴƴinoma nokku to hani resede ton gam batte nokkure nde enɗan ƴewtino talki ɗin enɗan faama wodde majji caggal mum du fa hande ni ɓe ndaara ele majjum du konda neɗɗo ndesuɗo talki o fa wiye kanje nokku o moyno nokku o du yi e tabintine na kulle ɗe edese ñibdina yi e tabintine nden no du ƴeewe yalla so jomum hokkama tal kudu du jeeyi nokku o yalno naata e woɓɓe ko woɓɓe nana torra woɓɓe ɗum du konɗan sey wajjimbine hakkeji goɗɗo wala e dow nokku on endan ko jomum hokke talkuru jeyal ndu endan Merci infiniment, Soumana. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Maintenant, écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Je m'appelle Issa Amadou, je suis un couturier, en même temps maître cuisinier. J'adhère à cette radio. Je le suis en ma langue et en plus le français aussi. Et j'apprécie leur émission quand même. Souvent, ils invitent des gens pour euh, parler sur la vie quotidienne. Plusieurs informations, je les trouve euh, au, niveau des langues. Vous avez un programme complet, franchement. Je n'ai pas vu là où faire des reproches. J'apprécie beaucoup les, émissions. Surtout vers 17h, là, j'ai le temps d'écouter la radio. Et je profite de cette euh, occasion pour saluer mon ami Garba Idi qui se trouve au niveau des Zender. Boubacar Soumana, professeur à Niamey, mes cousins et mes frères qui se trouvent à Niamey. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu min wiyete alaji ali amadou min ɗo woni mawɗo eh, ruggaɓe warsoɓe dogari e laameɓe ɓe leydi saayi min nettinto kalangu sanne min lasara fof tawi mi ɓoyla radio am mi daka ɗo dow radio kalangu hettinade kibaruji niger he leyɗe yaasi fof ko ɓuri welde kam ni woni e wakkati fuu kalangu no wadda filla durooɓe e remoɓe no jooɗori nder leydi meɗen niger code postoral gere annda ɗum no haali ɗum ɗon wallahi ɗum nangi hakkillo an sanne radio ji fof kalangu mbi'umi no harto no waɗa ɗum ko haani ɓeyda sanne ni woni wurtagol no yiwa ɓiɓɓe leydi ko hitere yii no ɓuri ko nowru nani hunde fof ko woni himɓe radio kalangu fuu miɗo jewta ɗum duggaɓe hane warsoɓe an tawaɓe nder canton mo sayi canton mo wuro guelajo canton mo tammu miɗo wallina ɓe jaam faami alfayse tawi yaade galluñumen fof miɗo wallina ɓe jaam ay ma fati boubacar ay go toroji igo studio kala go hay kulki go tergo ga hangan igo gir tonton gumu de baydin ki go gadan di woni rediffusion ay din ki go te irwa go gir tonton ago gir way boray bongay feri gumu ago katamu ka kani se mo ku za lokaci to bora ton gara diya ganda amma ay kan go gati igo gir wonay da igo futta gay wonay da irgo gi hangan mu zama wadi mu bona go bisa kani se ki go futta gay sigirai dinda kangana futta gay nan kulki go igo du bon fere irga ba im tonton voilà, chers auditeurs, c'était là les messages vocaux de nos auditeurs. Alors faites comme eux, envoyez-nous vos suggestions ou vos encouragements. Chers auditeurs, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble avant la chute de cette émission, nous allons écouter une autre musique. Il s'agit bien du groupe Toubal de Dosso qui nous chante ici Genjiho matama. Amma ki sajiyo tango saji amani zaira. Amma ki gaijiyo zara mai kayi e tare fai mara. Gaijiyo ngadiyan sako kabiri na baraga. Jim the Cuckoo

Pirita, Wayna, Canada. Somalia way. Igo ibo tayo kado mo ta koye ga ga I don't kai sur ces notes vocales du feu dernier Gadeize, le meneur du groupe Toubal de Dosso, que nous allons prendre congé de vous, fidèles auditeurs. Vous étiez en compagnie de Ali Moukaila Ousseini alias Seino et moi-même Top Draman. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous. Et oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Seini Isaka et Rahilatu Soumana Adamadawaki à l'édition. Excellente journée à tous.